J'étais à Dakar le 23 juin 2011, en tête d'ailleurs des troupes qui résistaient contre la volonté de M. Abdoulaye Wade de nous imposer un ticket présidentiel pour l'élection à venir en février 2012. Je me trouve en France dans le cadre d'une mission que m'ont confiée les organisations de la communauté internationale pour régler des problèmes de frontières entre des États africains. Je voudrais en quelques mots m'adresser à mes compatriotes sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur, plus particulièrement à la jeunesse de mon pays. Le 23 juin, à Dakar, le peuple s'est mobilisé, ainsi que dans les régions, pour faire face à un projet de loi proposé par le président Abdoulaye Wade pour imposer aux Sénégalais un ticket présidentiel. Ce 23 juin aura donc revêtu un caractère historique indéniablement positif puisque le projet a été retiré. Nous attendions donc à ce que le président Blaïwad, après avoir décidé de retirer ce projet de loi, se mette à la hauteur de l'événement et puisse réagir pour répondre à l'attente et aux aspirations des Sénégalais. Il n'en a rien été. Il s'est livré à des sarcasmes, à des colibés. Il s'est amusé avec la République, avec la nation, avec le peuple. Comment peut-on faire confiance à un chef d'État qui dit une chose il y a quatre ans et qui se dédie en ne se gênant pas pour dire je l'avais dit mais je me dédie lui, il peut changer, mais le droit ne peut pas changer. Le 23 juin, c'est la jeunesse qui a porté le drapeau de la résistance. Jeunesse qui se trouve à l'étranger et jeunesse qui se trouve dans le pays. Cette jeunesse a joué un rôle primordial dans ce qui s'est passé le 23 juin. Et cela a été une victoire du peuple sénégalais. Le Sénégal a une histoire glorieuse et que cette histoire-là doit continuer de nous inspirer. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne croient pas en Dieu. Je suis un croyant comme beaucoup d'entre vous. Et nous pensons qu'ensemble, si nous nous tenons la main, nous pouvons changer ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nakamu, bayenu ci jamu Man ma joggé Canada dem. Dem nga ñew. Wa dañu enregistrer fi pour affaire Ablaye Wade li mu wax na nga na nga sante yow. Yow nak Tal voilà, c'est bien. Je suis content de vous voir. Ah, euh, dañu ñew pour waxtaan pour affaire du Sénégal mom lañuy ñuy waxtaan fii dañ ko enregistrer pour passer ko télévision sëñ bi na nga sante yow Ndiaye jaata Ndiaye waaw mu ngoog Sénégal Ndiaye kañ boo ko waxee rek xam nañ loolu moom xam nañ mbaa yéen a jàmm daal di yëpp a ngi boor aha coono yi bare na de dama demoon mission Canada ñëw barki dem war a ñibbi gannaaw ëllëg après trois ans télé sud ñooy filmé nii pour ñu wax affaire u Sénégal fi ñu toll boo leen affaire oto yi affaire yi daal bu neexee yàlla dafay dem de mais nag fekk Ablaye Wade mu ngi fi du fi jógee na jë dem rek na fi jógee rek sëñ bi na nga sant Guèye waaw waaw